Fidèles auditeurs du Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalangu. Vous nous suivez à travers un réseau de 52 radios partenaires. Les réfugiés sont des personnes qui fuient les conflits ou la persécution. Leur statut est défini et protégé par le droit international et les réfugiés ne peuvent être expulsés ou renvoyés vers des situations où leur vie et leur liberté sont en péril. Selon HCR, plus de 108,4 millions de personnes Dès, le monde ont été forcés de fuir leur foyer. On compte parmi elles presque 35,3 millions de réfugiés, dont environ 41% ont moins de 18 ans. Aujourd'hui, nous allons discuter de la situation des réfugiés au Niger. Pour les échanges, nous avons l'honneur de recevoir ce soir au studio Kalangou M. Emmanuel Gignac, représentant de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, de Mme Fatima Mahaman, directrice régionale de l'État civil des migrations et des réfugiés, et enfin de M. Abdelaziz Ayouba, président du comité central des réfugiés. À la présentation, je suis Rafika Taher. Alors, nous allons entamer cette émission avec vous, Monsieur Emmanuel. Dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre un réfugié, un migrant et un demandeur d'asile Alors, d'abord, un grand merci euh, de m'accueillir euh, ce matin pour participer à cette émission. Je suis très flatté et très content d'être euh, parmi vous. Et merci aussi d'accorder une attention à, la question des réfugiés qui est, euh, qui est, souvent oubliée ou en tout cas qui est vue toujours euh, avec une certaine distance. Et il y a aussi beaucoup de, parfois, soit des malentendus, soit des, des confusions, etc. Donc votre question est tout à fait pertinente. C'est bien de commencer par ça. Mhm. <laughs> Qu'est-ce que c'est qu'un réfugié Un réfugié, ben, c'est une personne qui... Euh, euh, en fait, euh, fuit fuient la persécution, euh, la violence et qui quitte son pays, en fait. Ce qui fait qu'un réfugié est un réfugié, c'est qu'il traverse une frontière. il y a une convention internationale qui a été adoptée en, 1951, qui s'appelle la, Convention de, sur les réfugiés, la Convention de, Genève, et qui, qui, a encadré, si on peut dire, euh, une pratique qui existait depuis très longtemps. On n'a pas attendu 1951 pour euh, accueillir les réfugiés. n'est pas une loi non plus parce que c'est une convention, mais euh, les pays y adhèrent et à partir du moment où ils adhèrent, ils s'engagent aussi à respecter les principes fondamentaux de cette convention. et vous l'avez mentionné, le principe le plus important, c'est ce qu'on appelle le principe de non-refoulement, c'est-à-dire de ne pas renvoyer des réfugiés. Pourquoi Parce que c'est un réfugié, c'est un peu comme une personne qui, euh, qui fuirait sa maison parce que sa maison est en feu. On a des, ce qu'on appelle des déplacés internes, par exemple, et il y en a beaucoup ici au Niger. Euh, eux, ce sont un peu comme des réfugiés de l'intérieur, si on peut dire. C'est-à-dire, ce sont des, des, citoyens d'un pays qui, pour les mêmes raisons, sont forcés de fuir, de quitter leur foyer parce que euh, ils subissent soit des attaques, des menaces, enfin leur, leur vie ou leur sécurité et, ils sentent qu'ils euh, n'ont pas d'autre option que de, quitter leur foyer. Mais ils restent dans leur pays. Donc ils n'ont pas statut de réfugiés parce qu'ils n'ont pas quitté leur pays. Voilà. Oui, vous dites qu'il y en a beaucoup. Ils sont à peu près combien au Niger, les réfugiés alors, les réfugiés, les déplacés internes, on a... Euh, internes qui viennent aussi. Euh. On, a, on a plus de 350 000 réfugiés et un petit peu plus de déplacés internes au total. On est, on est au-dessus de 700 000 facilement. Euh, qui sont arrivés, enfin qui ont été déplacés ou qui sont arrivés euh, par vagues successives depuis, euh, pour les réfugiés depuis 2012, depuis la, crise au Mali, ensuite de ça la crise autour du lac Tchad, le bassin du lac Tchad, puis ensuite de ça il y a eu la crise dans les, les, trois territoires, les trois États du, nord-ouest du, Nigeria, l'État de, de, Katina, de, de et euh, maintenant, les migrants. Euh, les migrants sont des gens qui, euh, qui, quittent leur pays pour des raisons économiques, souvent. En fait, qui cherchent un meilleur, un meilleur futur, si on peut dire. Ça peut être des raisons, d'une certaine façon, qui sont, entre guillemets, aussi légitimes. Mais d'une certaine façon, c'est un choix que les, les gens décident, peut-être à contre-coeur, mais ils décident de, de, quitter leur pays pour essayer de trouver pour des raisons économiques. Un ailleurs meilleur, et souvent on sait que c'est dans le but d'appuyer leur communauté ou leur famille euh, qui reste euh, dans le pays. Alors oui, ils peuvent traverser, généralement ils traversent plusieurs frontières. Euh, il peut bien sûr avoir des migrations qui sont, on le voyait par exemple, entre le Niger et, la Libye, où il y avait ce qu'on appelait des, des, des, migrants saisonniers ou des travailleurs saisonniers qui allaient en Libye pour la saison, soit de la récolte euh, en Libye ou, euh, pour les travaux agricoles, mais qui revenaient, qui revenaient au Niger. Mais il y a aussi des migrations qui se font sur des, euh, sur, des, sur, des, sur des chemins plus longs, si je peux dire. Donc les migrants traversent plusieurs frontières. c'est intéressant parce que quand on bon, le, flot migratoire le plus important qu'on connaît, c'est celui de la, ce qu'on appelle la, la route méditerranéenne centrale. Le flot prend sa source, si j'ose dire, dans tout le bassin de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi euh, bien plus loin, l'Afrique euh, Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique. Euh, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que les chiffres nous disent que pratiquement 80% de, ce flot-là est infra-africain, c'est-à-dire que ne, va pas au-delà du continent africain. Et ce n'est que probablement autour de 20-25% qui tentent d'aller euh, au-delà. Euh, Madame Fatima, comment pourrait-on définir le demandeur d'asile Le demandeur d'asile, merci de m'avoir donné la parole. Et le demandeur d'asile, c'est en quelque sorte une personne qui quitte aussi son pays pour des raisons de persécution, soit politique, contre de ses idées ou de sa religion. Il est persécuté, donc il est obligé de quitter ce pays pour chercher là où il va se sentir mieux dans un autre pays qui n'est pas son pays d'origine. Est-ce que les enfants qui naissent euh, aussi sur le territoire d'accueil, où est-ce qu'ils sont situés Est-ce qu'ils sont, ils ont automatiquement le statut de réfugié ou bien ils ont quelle nationalité Ils auront et aussi le statut de réfugié parce qu'il y a une procédure qui est bien là. Dès que vous venez, vous avez le statut de réfugié. Un an après, vous allez le renouveler. La durée, c'est un an. Ou lors du renouvellement, si l'enfant est né, donc on va faire un ajout pour l'enfant. Il n'est pas directement nigérien. Il non, il n'est pas. Il garde des parents. Oui, il garde la nationalité d'origine des parents. C'est pourquoi ici on a un appel envers ces parents-là lorsque les enfants sont nés au Niger, au niveau de la nationalité, qu'ils mettent la nationalité d'origine de leurs parents au lieu de mettre nigérien nigérienne, c'est là où on a les problèmes parfois, on, retire les attestations. Dès on ne met même pas l'enfant au niveau de la base de données, parce qu'on va avoir la nationalité nigérienne de la mère. Et tout Nigérien dans son pays ne peut pas être réfugié. Comme l'a dit le ACR, pour être réfugié, il faut quitter son pays d'origine pour venir dans un autre pays d'accueil. En fait, c'est une étape demandeur d'asile, parce que l'asile n'est pas accordé, enfin le statut de ah, réfugié <clears throat> n'est pas accordé automatiquement. Il faut qu'il y ait une détermination. Et la détermination se fait par euh, un processus, un mécanisme. Alors ici au Niger, il existe une loi. Et c'est pour ça que la Commission nationale du que, auquel Mme Fatima appartient, euh, a été créée. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous devez demander le statut de réfugié. vous, êtes d'abord un demandeur d'asile. Et si vous êtes reconnu réfugié, vous devenez réfugié. Mais il y a des demandeurs d'asile qui ne sont pas reconnus et donc qui, euh, qui n'auront été que demandeurs d'asile, et ensuite de ça, bon, ils sont des cas rejetés, etc. c'est une procédure, c'est comme on a la procédure de, certains réfugiés des nationalités, soit maliens ou nigériens, et ils n'ont pas la même procédure que les autres, que les autres demandeurs d'asile et que les autres mêmes réfugiés. Ce n'est pas la même procédure. Nous, avons une commission nationale, nationale d'éligibilité au statut de réfugié ah, la CNE La CNE, au niveau de la direction générale, elle a ses, démembrements au niveau des régions. Et sinon, nous sommes au niveau du guichet unique de Niamey. C'est là où la CNE représente euh, euh, la direction générale de l'état civil. Au niveau du guichet unique, nous avons un service d'enregistrement. C'est là où commence après euh, le dépôt du dossier au niveau de la CNE, de la Direction générale de l'État civil et de réfugiés. Vous venez à votre, avec votre truc de, dépôt, on regarde, on vérifie, et si vous êtes dans les normes, on enregistre. Nous vont faire une vérification pour s'assurer ce que vous dites là, c'est ça. Après la vérification, ils vous envoient au niveau de, de la protection. Là aussi, au niveau de la protection, c'est à eux maintenant de décider de voir si vous êtes, vous êtes habilité ou vous aurez cette attestation de réfugié. Là, si on finit, il faut, il y a un service aussi informatique qui doit informatiser ça. Comme je vous l'ai dit, l'attestation là, c'est pour une, il faut un entretien, un entretien. Et après l'entretien aussi, parfois, c'est, c'est pas facile, surtout pour les demandeurs d'asile pour les, les euh, et les, Maliens, là, c'est un peu souple. C'est un peu souple. Mais est-ce que vous les accompagnez dans cette procédure Au niveau du guichet unique, c'est un service d'orientation. Oui, on les oriente à chaque étape, on les suit jusqu'au niveau de l'enregistrement où nous aurons le, le document d'attestation provisoire. On les atteste, on les accueille. En fait, il existe une définition euh, juridique qui est en fait dans la Convention. C'est un petit peu la, matrice, si on peut dire, de la Convention. Qu'est-ce qu'un réfugié Ça a été juridiquement défini et ben, Fatima y a fait référence. Voilà, il y a, cinq euh, raisons fondamentales qu'on peut invoquer. Alors, d'une certaine façon, quand il y, a, ces entretiens pour déterminer si la personne est un réfugié ou pas, d'une certaine façon, la, personne doit, euh, d'une certaine façon, plaider son... Donc, elle va raconter son histoire, d'une certaine façon. Et euh, c'est euh, la détermination se fait sur est-ce que cette histoire euh, est, crédible, est-ce qu'elle est fondée, et surtout est-ce que les, raisons qui sont invoquées sont justifiées. Donc, alors pour certains cas, hein, Fatima l'a mentionné, par exemple les Maliens ou les Nigérians qui sont arrivés en masse. On a eu à peu près plus de 60 000 réfugiés maliens. On n'allait pas tous les interviewer individuellement parce qu'on y serait encore depuis 2012. Ça prend un temps, c'est très long parce qu'on sait en fait que le groupe euh, fuyaient pour les mêmes raisons. Euh, et donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des déterminations de groupe. C'est pour ça que euh, Fatima disait qu'il y a des, dans le cas des Maliens et Nigériens, c'est plus facile parce que c'est une, certaine façon, c'est une détermination groupée parce qu'on dit ils ont tous fui des événements que tout le monde connaît, c'est-à-dire les violences qui étaient commises dans certaines zones et donc au niveau juridique, la, CNE avait, euh, enfin le gouvernement avait, euh, émis un, arrêté. Il y a un arrêté pour les Maliens et pour les Nigérians. Donc tout Malien qui fuit, c'est pas n'importe quel Malien, c'est des Maliens qui fuient des zones qui sont, euh, qui y a de la violence sera, sera reconnu comme réfugié. Monsieur Abdelaziz, vous êtes le président du comité central des réfugiés. Parlez-nous de ce comité. merci beaucoup, madame. Euh, le comité central euh, euh, des réfugiés, c'est un comité qui a été mis en place par la CNE et par la demande du, ACR. Ah, c'était une initiative du HCR. Du, et, par l'accompagnement de, de, la, direction générale. Effectivement. Donc, ce, comité central représente ce comité central de Niamey représente tous les réfugiés de Niamey, de, plusieurs nationalités, les Maliens, les Centrafricains, les réfugiés rwandais, nous avons aussi des réfugiés congolais. Et il y a la représentativité de toutes ces nationalités dans ce comité-là. Et ce comité fonctionne sur la base, c'est-à-dire euh, si, euh, par, euh, les assistances du ACR, l'accompagnement de la CNE. Euh, c'est-à-dire le ACR a des partenaires, des partenaires de mise en œuvre. Et ces partenaires de mise en œuvre travaillent avec la communauté. Et nous sommes les intermédiaires de cette communauté et les partenaires de mise en œuvre. Et on facilite aussi l'accès au niveau du guichet unique, le service, c'est-à-dire au niveau de, de la santé, de l'éducation, euh, aussi même au niveau de l'enregistrement, on facilite l'accès du service. Une le réfugié sur place, c'est à vous d'aller vers lui ou bien comment ça se passe Oui, euh, ça si, par exemple, si on prend le, le programme d'éducation, euh, ça donne le programme d'éducation, c'est les partenaires en charge chez ADES. Maintenant, s'il y a des informations, et, par exemple, une activité, actuellement, il a, il y a une activité du PEA, c'est un programme accéléré pour les enfants primaires. Donc ce programme, c'est une formation de trois mois. Maintenant, pour euh, euh, le ADES, ce qu'il fait, il, fait l'approche à notre communauté pour connaître les enfants en besoin, les enfants qu'il faut identifier. On, établit la liste ensemble. Et là, ADES fait l'accompagnement. Vous existez depuis quand On existe euh, depuis 2012. Hein. depuis l'arrivée même de, notre arrivée sur le territoire nigérien. Avant de continuer avec notre débat, je vous propose d'abord de suivre deux réfugiés qui ont bien voulu nous parler de leur situation au Niger. Vraiment, du côté euh, population, ça va parce que nous sommes bien accueillis. La population nigérienne, donc euh, on, collabore bien avec la population. Mais euh, le problème qui se situe, ça, c'est la, la pauvreté, la chérité de la vie nigérienne côté logement aussi. Euh, beaucoup de réfugiés sont logés dans des tentes. Euh, il y a aussi un problème de, de boulot, quoi, de travail. Beaucoup d'entre nous sont en manque de travail. Il n'y a pas assez de boulot ici. Même les autochtones sont en chômage, ce qui fait que les réfugiés ont moins de chances pour avoir euh, du travail ici. À part, bon, à aussi, manque, on nous parle du problème des fonds. De fonds. je lance un appel à la communauté internationale, surtout l'ONU ou bien e pour qu'on puisse nous financer. On a besoin d'un fonds pour mettre les choses au point, pour pouvoir travailler. Sinon, les réfugiés sont très nombreux ici. Il y a quand même d'autres qui ont arrivé à s'en sortir, qui travaillent. D'autres euh, ont été formés par Suède. Bon, je ne peux pas parler au nom de tous les réfugiés parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Vraiment, nous recevons tout ce qui nous est destiné. Je suis toujours bien servi quand je viens pour quelque chose. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Tous les réfugiés qui viennent au guichet sont satisfaits. Il n'y a aucun problème, même dans la cohabitation avec les Nigériens. Ça fait 11 ans que je suis réfugiée et je n'ai jamais eu de problème pour quoi que ce soit. Voilà, est-ce que vous avez des commentaires concernant ces témoignages qu'on vient d'écouter C'est la réalité du terrain. je veux d'abord commenter sur euh, l'intervention de la dame, ce qu'elle a dit. Et C'est vrai, le service au niveau du guichet unique, euh, c'est un service euh, que la plupart des réfugiés apprécient c'est-à-dire quand tu viens au, niveau du... Et l'autre euh, qui dit aussi qu'il y a peut-être la charité de la ville, est-ce qu'il y a un accompagnement, Monsieur Emmanuel, pour euh, ces réfugiés Alors peut-être oui, merci. Je <clears throat> suis très content d'avoir entendu ce témoignage. Euh, c'est des réfugiés qui, comme l'a dit le, président, reflète bien la, réalité de tous les jours. Ça reste un grand défi. Les, les réfugiés, en principe, c'est d'un statut temporaire. On fuit euh, pour se protéger et euh, se mettre à l'abri. Mais euh, l'idée derrière la tête des réfugiés, c'est de revenir chez eux comme tout le monde le ferait, parce qu'ils veulent rentrer chez eux, ils ont leur terroir là-bas, ils ont laissé derrière eux des maisons, de, un travail, ou, etc. Et, mais bon, tant que les conditions ne permettent pas, euh, la, peur qu'ils ont eue qui les a fait fuir, tant que les raisons de cette peur est toujours présente, euh, ils vont pas, ils vont pas retourner. C'est de toute façon, c'est un traumatisme. Donc, je dis ça parce que ce qui est important, c'est que de trouver une solution à la question des réfugiés. C'est pas être réfugié, c'est, euh, ça devrait être temporaire. Malheureusement, on constate de plus en plus dans le monde que les crises durent de plus en plus longtemps. Euh, il y a une difficulté à, de la communauté internationale à trouver des solutions aux crises et, euh, les réfugiés restent euh, réfugiés pendant longtemps. Mais cette solution durable, comme on dit, qui est le retour, est importante. En attendant, qu'est-ce qui se passe euh, Ça dépend des pays en pays. Ici, au Niger, il y a un régime très, je très, généreux, très accueillant, très libéral, d'une certaine façon, vis à -vis des réfugiés. Pourquoi Parce que c'est enraciné dans, la, dans les valeurs et les traditions nigériennes. Voilà, c'est comme ça. <laughs> Vous en savez plus que moi là-dessus. Il n'avait pas justement de, problème avec la population. <laughs> Et on voit justement, et ça c'est important. Donc cette, coexistence est extrêmement importante. La femme dit qu'elle a 11 ans euh, ici. Euh, elle a, elle a un statut de réfugié pendant 11 ans au Niger. Est-ce qu'au fil des années, on peut cesser d'être réfugié, euh, même sans retourner chez, Alors, il y a, oui, il y a trois possibilités. Soit bon, le retour, dès qu'on retourne chez soi, le fait de rentrer, de traverser la frontière, on perd son statut automatiquement. En étant sur le territoire d'accueil, une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la réinstallation, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont prêts à accueillir des réfugiés chez eux. Euh, et généralement vont les intégrer, les naturaliser, etc. Mais ça concerne très très peu de, réfugiés parce que malgré toute la générosité des, pays, ça, on parle de 1%, moins de 1% de la population réfugiée mondiale qui a euh, l'occasion, enfin à qui on offre des, places de réinstallation. Donc en fait, le, euh, l'autre possibilité, c'est pour perdre son statut, c'est d'être naturalisé, si on peut dire c'est-à-dire de s'intégrer, d'être naturalisé. Mais là aussi, il y a très très peu de pays qui vont faire ça. Euh, mais par contre, ce qui est possible de faire, c'est euh, ce qu'on peut appeler une espèce d'inclusion ou d'intégration socio-économique, c'est-à-dire de permettre aux réfugiés de participer à, l'économie du pays, à avoir accès aux services euh, de base publics, la santé, l'éducation. Et c'est le cas ici au Niger. La loi permet aux réfugiés de, travailler sans avoir besoin de demander un permis de travail ou une autorisation. Euh, ils ont accès euh, aux services euh, de base, éducation, santé, comme j'ai dit, des programmes sociaux, etc. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'un accompagnement, parce que même si la loi le dit, dans la réalité, les réfugiés eux-mêmes pensent qu'ils n'ont pas le droit, parce qu'ils ne le savent pas les, parfois les services étatiques sont pas forcément configurés pour, euh, pour les inclure. C'est le cas par contre pour l'éducation et la santé. Tous les réfugiés sont, sans aucune discrimination sont, sont acceptés. Mais il faut voir qu'on est aussi au Niger, donc où il y a des déficits ou des manques en termes de, euh, surtout dans les lieux où se trouvent les réfugiés. Euh, ici on est à Niamey, mais il y a des réfugiés euh, à Tilaberi, dans des zones assez reculées, Difa, Maradi, Tawa. Euh, des endroits comme euh, Madawa ou, ou où en fait, même pour la population haute, il y a, peu de services euh, publics de, essentiels. Et donc, on est amené parfois à, même construire, par exemple, ou établir des centres de santé intégrés ou des, des écoles. Ici, à Niamey, bien sûr, c'est différent, c'est plus un contexte urbain. Et euh, par exemple, il y a moins d'opportunités pour les réfugiés de se livrer à l'agriculture, par exemple, parce que c'est plus un contexte urbain, donc c'est plus euh, avoir accès à des, à des emplois, euh, à la formation professionnelle, etc. Et donc oui, il y a des, euh, on a des financements, le, président en parlait, mais on n'en a jamais assez malheureusement pour, mmh. pour couvrir tout le monde. Donc on vise bien sûr les, les personnes les plus vulnérables, mais il y a quand même un programme d'assistance, d'aide justement à l'éducation, euh, une partie euh, des, des, coûts de santé, euh, enfin, les réfugiés sont éligibles. Mais l'idée, c'est de, les intégrer, si on peut dire, et qu'ils puissent être traités et être au même niveau que les, citoyens et les nationaux. Madame Fatima, est-ce que vous avez aussi des remarques Vous avez un plus à apporter, surtout ce qu'on vient de... Ce que je peux dire vraiment par rapport à l'État, l'État a fait de son mieux parce que les réfugiés, ils ont accès au même titre que les nationaux, au service de santé, de l'éducation. Ils ont la libre circulation et ils ont le choix de, leur résidence. Et au niveau de la justice, là aussi, ils ont le droit d'aller en justice pour toute affaire. Donc je pense que vraiment, ils ont les mêmes capacités. Mais comme l'a dit euh, M. Emmanuel. Vraiment, pour l'agriculture, là, c'est pas facile. Surtout qu'ils sont en zone urbaine ici à Niamey, même les autochtones, maintenant, ont perdu leurs leur champs. juste euh, revenir par rapport euh, à l'intervention de oh, monsieur, le représentant et la directrice par rapport au, règlement, la loi 97-016 du 20 juin 1997, et qui pose sur l'article 9 et 10. L'article 9 de, cette loi dit que euh, les réfugiés ont le même droit euh, d'exercer une, activité salariale. L'article 10 aussi dit que les réfugiés ont le même traitement que les, euh, les nationaux en matière d'éducation, santé, logement, la libre circulation de biens et autres. Voilà. Et en son article 6 aussi, euh, cette même loi dit que les demandeurs et bénéficiaires euh, de statut de réfugiés ne peuvent être expulsés, refoulés ou extradiés du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Est-ce que vous pouvez nous donner ces raisons pour lesquelles, par exemple, un réfugié peut être euh, refoulé ou extradier, parce qu'ils ont dit qu'il y a bien des raisons pour lesquelles on peut extrader un, un, un réfugié. Bon, ça, je pense que c'est ah. ça, revient à l'État de répondre à, à cette. Je, je, sais que les réfugiés, moi, ce que je sais, au niveau du, du Niger, les réfugiés sont bien accueillis on n'a pas de problème avec la communauté nigérienne. Votre intégration, comment elle se fait c'est-à-dire au niveau de, de c'est-à-dire les réfugiés, et, même au niveau des écoles, quand nous sommes au niveau des universités autres, on, c'est-à-dire, eux-mêmes, ils, savent comme c'est des frères. On est, tous des frères. On se sent comme des frères. Est-ce que vous voyez Des fois, ils, ne savent même pas si lui, c'est un réfugié. Mm, mm. Tellement qu'il euh, euh, y a vraiment une coexistence entre et ça, c'est exemplaire. Euh, effectivement. Effectivement. Parce que ce n'est pas toujours comme ça dans d'autres pays. Tout à fait. Mm. Et ici aussi, c'est à Niamey, les réfugiés ne sont pas dans les camps. Mm. Ils sont... La plupart, ils sont dispersés dans les quartiers. et des fois, même les chefs des quartiers, s'il y a des petits dons, ils les appellent. Mm. donc il y, a une solidarité entre nous et les, les, nationaux. Donc il n'y a aucun côté négatif qui peut être soulevé euh, pour les réfugiés ici. Bon, le problème que moi je peux soulever, c'est-à-dire c'est au niveau du... Et ça, c'est un problème général par rapport à l'emploi. Par rapport à l'emploi. Nous sommes, c'est vrai, le ACR e nous a accompagnés par rapport à la formation. Les gens sont formés. Il y a d'autres qui sont même euh, partis au Sénégal faire des formations, payées par le ACR, e accompagnés par le ACR. E et ici, même à Niamey, nous avons des bourses comme les nationaux. Nous avons des bourses accompagnées par le ACR, des bourses où euh, le ACR accompagne le réfugié, il paye les frais de scolarité et il accompagne des frais de subsistance pendant les trois ans. Ça, c'est un problème général au niveau de l'emploi, mais juste qu'il y a certains organismes qui n'arrivent pas à reconnaître la loi. Ils ne savent pas qu'il y a une loi qui permet aux réfugiés de travailler comme les nationaux. Monsieur le représentant du SCR ou Madame Fatima, nous allons revenir à, la loi 97-016 euh, euh, du 1997 en son article 6 qui dit que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, un réfugié peut être expulsé ou refoulé. Tout à fait. Alors des exemples, il y en a très peu. Il n'y a, eu aucun cas d'expulsion de réfugiés. Euh, autant que je sache, peut-être que Madame Fatima, elle a une connaissance peut-être plus, longue que moi. Mais euh, oui, il y a des problèmes avec certains réfugiés, comme dans toutes les communautés. Il y a des réfugiés qui sont arrêtés par la police parce que euh, ils violent la loi et ils sont soumis à la loi comme tous les autres citoyens. Donc de ce point de vue-là, il n'y a mm. aucune mm. différence. Et, et nous, on ne euh, on va évidemment pas s'opposer à ça, ça serait la, la, dernière des choses à faire. Ceci étant, il n'y a pas tant de cas que ça, mais euh, les statistiques qu'on a, on a quelques réfugiés qui... Alors ce qu'on fait, c'est que oui, on, on s'assure qu'ils euh, puissent avoir euh, une, un service, un appui juridique, par exemple, pour ceux qui sont amené euh, en cours, etc., euh, pour qu'il puisse avoir euh, voilà, droit de se défendre. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme exemple ben, Vous avez quelqu'un qui se fait passer pour un réfugié et qui, en fait, est impliqué, par exemple, dans des activités subversives, des activités terroristes, des activités ou du militante, lutte armée, etc. Et en fait, là, c'est important la, définition de la Convention de, Genève sur les réfugiés euh, exclut du statut de réfugié toute personne qui est, impliquée dans euh, toute forme de lutte armée. Pourquoi mhm. Parce que voilà, euh, ça cherche cette convention cherche à protéger les civils. À partir du moment, alors vous pouvez avoir de bonnes, de mauvaises raisons, ça c'est pas nos affaires. <laughs> à partir du moment où une personne est impliquée euh, dans la lutte armée, euh, elle, ne, peut pas qualifier au titre de, de réfugié. Ça, ce n'est pas fait pour eux. Voilà. Donc oui, il pourrait arriver qu'une personne qui aurait été reconnue réfugiée et qui, je ne sais pas, moi par exemple, serait impliquée dans une euh, dans des activités qui pourraient être considérées par l'État nigérien comme étant subversives, etc., euh, pourrait euh, perdre son statut de réfugié. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait Est-ce que la personne serait déportée ou est-ce que la personne serait mise en prison ici Voilà, ça, c'est l'État qui gère ça. Donc, mais ça, c'est des cas vraiment extrêmes. Et je dois vous dire que, de mon expérience, ça fait quand même longtemps que je travaille pour la HR. moi, je n'ai jamais été confronté à un cas comme ça. C'est très intéressant. Les gens qui sont euh, comment dire, impliqué euh, impliqués, euh, généralement ne demandent pas le statut de réfugié. Parce que quand vous demandez le statut de réfugié, on vous enregistre, on obtient ah, tous ces gens-là veulent pas être enregistrés. Dans l'ensemble, on peut dire que les. Mais par contre, on a des cas, on a des cas, et ça c'est quand on a des camps de réfugiés où il y a des infiltrations dans les camps. C'est pour ça que, alors ce qui est intéressant, ça a été dit, parce que c'est pas qu'à Niamey, c'est partout sur le territoire du Niger. Il n'y a pas de camp de réfugiés ici. Le Niger a adopté euh, une politique d'alternative aux camps. Alors on a des villages d'opportunité, trois villages qui sont conçus comme des villages. C'est vrai que c'est occupé exclusivement par des réfugiés, mais c'est tout entouré par euh, des villages euh, des, indigènes, la population haute locale et euh, avec des infrastructures qui bénéficient aux, deux populations. On a construit des centres de santé, on a construit des, écoles, etc. Le seul camp qu'il y a formellement, c'est le camp, le camp de Sayam Forage, euh, qui a été créé très tôt euh, au moment de la crise autour du lac, du lac Tchad. Sauf quelques cas dans les, sites, si vous prenez l'exemple du site de de de Hamdallah. Hmm. On a pris des gens. Là aussi, ce ne sont pas des, des crimes qu'ils ont commis d'incendie volontaires, d'assassinats volontaire, là, on ne peut pas. Oh, oui, ça, c'est mm, la justice qui sont comme des Nigériens. Donc, c'est la justice qui va jouer ce rôle-là. Le 20 juin dernier, c'était la journée mondiale des réfugiés. Donc, se référant à la dernière année, à l'année dernière, est-ce que la population des réfugiés ou demandeurs d'asile euh, a augmenté par rapport Toute l'année 2023 jusqu'à euh, C'était mars ou avril 2024, donc mm-hmm. récemment, on a eu 85 000 réfugiés additionnels, mais qui ne sont pas arrivés d'un coup, ce qui fait que ça ça n'a pas causé un choc euh, comme ça cause quand on a plus de 50 000 personnes qui arrivent. Donc ça n'a pas causé une urgence. Mais on a, pu absorber. Alors c'était essentiellement, je dirais, à presque 65%, c'était des réfugiés maliens, mais de Ménaka, à cause de la situation euh, qui s'est détériorée euh, à Ménaka et autour surtout. Euh, et qui sont arrivés essentiellement du côté de Tawa. Il y a eu quelques-uns à, Bala, mais très, très, bah, assez peu. La grande majorité sont. Alors que les réfugiés qu'on a à Bala, Walam et à c'est les, ce qu'on appelle les, les, réfugiés maliens 2012, avec euh, bien sûr Niamey. Euh, mais, et c'est intéressant parce que de 2012 à mars 2022, donc 10 ans, on n'a pas eu un seul réfugié qui est arrivé du Mali autant qu'on sache nous. Il y a la statue, euh, voilà, mais euh, personne n'a su quoi. <laughs> C'était pas notable. Et à partir de mars 2022, on commence à avoir des, Maliens qui arrivent donc justement de la zone de Menaka. C'est au moment où la situation a commencé à se détériorer. Euh, alors ici au Niger, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup d'affinités culturelles, mais dans d'autres pays, il y a parfois des <laughs> différences culturelles importantes. Donc il faut gérer ça, la coexistence, ils sont pas, ils viennent pas tous du même endroit, ils viennent tous du même pays, mais pas forcément, ils viennent pas forcément comme une communauté unie, etc. Et donc il faut construire il y une ça. Salade de culture. Exactement. Et, qui plus est ici à Niamey, parce que là c'est une salade de, nationalité. comme il a dit. Il y a la Sierra Leone, il y a des Libériens, il y a des, euh, Soudanais, il y a des Érythréens, il enfin voilà, c'est vraiment le monde multiculturel. Donc surtout ici à Niamey il faut cette structure qui est un peu une structure de gouvernance et qui permet de faire une interface avec les autorités, mais aussi avec, euh, pas seulement nous d'ailleurs, les, partenaires qui apportent une, assistance. Euh. Madame Fatima, dans quel cas est-ce que euh, le statut de réfugié est révoqué ou cesse d'être invoqué Normalement, chaque année, il devrait se faire contrôler. Chaque année, il devrait venir au niveau du guichet unique pour qu'il ait une autre attestation. Donc en ce moment, c'est toujours l'entretien et, là, à partir de là, il y a le service de la protection qui est là. C'est à lui vraiment de donner les derniers mots pour le renouvellement de ce, euh, du document d'attestation. Je peux rajouter bien sûr, parce que, pour donner une dimension un peu plus euh, internationale aussi, parce que il y a aussi ce qu'on appelle au niveau du HR la clause de cessation. Mais c'est plutôt positif. C'est-à-dire que, et je vous donnerai un exemple très concret. Euh, vous disiez tout à l'heure quand est-ce qu'on cesse d'être réfugié Bon, euh, quand on rentre chez soi, si on est réinstallé, bon, éventuellement si l'État accepte de vous naturaliser, mais généralement, non, il peu de cas. Mais par contre, euh, on peut cesser d'être réfugié au sens où le HR va déclarer une clause de cessation. C'est-à-dire que euh, généralement, ça se passe euh, suite à un processus de retour. Il y a un retour, et, le cas très récent, c'est les, réfugiés ivoiriens. On a eu une crise en Côte d'Ivoire euh, dans les années 2010, 2011. Bon, il y a eu les réconciliations en Côte d'Ivoire, et, mais il y avait encore des réfugiés ivoiriens. Mais on avait un processus de retour qu'on facilitait, qu'on appuyait. Mais on arrive à un moment donné où on arrive au bout du tonneau, si veux dire. C'est qu'il n'y a plus vraiment de gens qui veulent rentrer. Et il y a des gens qui sont un petit peu euh, entre les deux, qui ne savent pas trop. Alors là, ça dépend des pays d'origine. Il y a des pays d'origine qui peuvent dire, bah, écoutez, vous, êtes bienvenus de rester, on est prêt à vous accorder la nationalité si vous le, vous le demandez. Bon, ça, c'est les pays qui décident ça. Mais sinon, à un moment donné, nous, on arrive à un point où euh, on dit, il n'y a plus lieu d'être. Les causes, voilà, les causes qui ont conduit à la fuite, euh, n'existe plus. Et, euh, mais c'est, on est très prudent avec ça. On ah ne fait pas ça. On attend vraiment qu'on ait dépassé, disons, le, seuil de. Voilà, on est absolument sûr. Et c'est ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire le 20 juin 2020. Euh, je sais plus c'était 2022, 2023. Non, 2022, je pense. Le haut commissaire avait été à Abidjan pour justement déclarer cette clause de cessation, etc. Après ça, il peut y avoir des réfugiés ivoiriens qui euh, eux personnellement, pensent qu'ils ont encore euh, une, peur bien fondée de persécution. Et c'est là où on fera une détermination particulière pour ce groupe-là. Et oui, ils pourraient rester réfugiés sur la base voilà, de, mhm. l'histoire. Mais le groupe, on a déclaré la cessation. Et ça, c'est généralement un tournant pour nous très positif. Ça veut dire qu'enfin, on a réglé le problème. Monsieur Abdelaziz, vous êtes directement concerné. Quels sont vos droits Aujourd'hui, si nous prenons la communauté malienne, la plupart de la communauté maintenant, c'est des illettrés. Ils ne connaissent pas d'abord eh, ces droits et autres-là. Mais ce qui est là, quand eux, ils, entendent parler de réfugiés, de, certains, ils pensent que c'est en fait euh, quelque chose de... où il faut que il faut, il faut que tu sois isolé, euh, un groupe de, de vulnérabilité. Ne pas bien s'intégrer dans la population. Certains, certaines quoi. Est-ce que vous avez les mêmes droits que les autochtones Oui. Nous avons les mêmes droits à tout ce qui concerne euh, éducation, santé, logement. logement. Aujourd'hui, quand vous voulez prendre euh, une, euh, peut-être une maison en location, on ne vous demande pas si vous êtes réfugié ou pas. Mm. On vous donne la maison. D'autres précisions avec vous, Madame Fatmata Vous savez, les réfugiés, on l'a dit, ils ont les mêmes droits que les Nigériens. Ils ont droit à l'intégrité physique, euh, ils ont droit à un logement, à l'éducation, à la santé, à la justice. Tous ces droits-là, au même titre que les Nigériens, ils jouissent de ces droits. Il n'y a aucune différence entre un réfugié et un national, un national par rapport, à, par rapport aux droits. Il n'y a aucune différence. Mais bon, je le répète à nouveau, oui, les réfugiés ont des droits, mais ils ont des devoirs aussi. Oui, c'est ça. <laughs> comme les, comme, les Nigériens. comme les Nigériens. les, devoirs, là, ces deux-là vont toujours ensemble, les droits et les devoirs. Le seul problème des réfugiés, c'est au niveau de l'emploi. Parce que vous allez voir des offres à chaque fois. On exige la nationalité nigérienne. Mm. Vous venez avec votre statut, on dit non, vous n'êtes pas éligible. Vous ne répondez pas aux critères, vu juste la nationalité. Et ça, je pense que ça revient -à, -dire à l'État de revoir les, et peut-être disposition. Du, de la CNE aussi, de voir comment arriver à solutionner ce problème. Oui, et d'un autre côté, voilà, c'est une forme de protectionnisme et on, peut le comprendre parce qu'il y a un problème d'emploi ici au Niger. C'est pas anormal que l'État du Niger euh, veuille euh, prioriser sa population sur la, la population. Ça ne veut pas dire qu'il discrimine euh, les réfugiés, ça ne veut pas dire que il cherche à nuire aux réfugiés, c'est que c'est normal qu'il cherche euh, voilà, à, répondre aux besoins de sa propre population. Ça, c'est tout à fait normal, on comprend. On continue avec vous, Monsieur Emmanuel, en parlant de la mission conjointe euh, avec euh, le ministère en charge de l'Intérieur le 20 janvier dernier pour euh, s'enquérir un peu de la situation des, réfugiés à Assamaka. Hmm. Voilà. <laughs> Donc après cette mission, est qu'est-ce qui a été retenu comme perspective dans cette localité pour les réfugiés d'Assamaka et pour les réfugiés au Niger en général Oui, mais particulièrement la, situation d'Assamaka parce que c'est une situation un peu préoccupante. En fait, à la base, euh, tout ça a commencé en juin 2023. Ce sont des réfugiés euh, maliens, mais qui étaient en Algérie qui ont été expulsés d'Algérie pour des raisons qu'on n'a pas forcément très bien compris. On nous a parlé d'une dispute euh, entre les communautés localement, etc. Et euh, donc la question, c'était voilà, de, voir si est-ce que ces réfugiés devraient rester là ou est-ce qu'il faudrait les relocaliser ailleurs au Niger pour leur sécurité. Pour l'instant, rien n'a été encore décidé Non, enfin, les, recommandations, enfin, des rapports a été, euh, a été remis au ministre de l'Intérieur et euh, nous, de notre point de vue, toutes les options sont possibles, mais euh, c'est important de prendre une décision et de prendre des mesures en conséquence. On est, on est plutôt favorable, à une relocalisation parce qu'ils sont très proches de la frontière. On évite généralement de mettre les réfugiés proches des frontières parce que euh, voilà, les, zones frontalières sont les mêmes partout dans le monde. C'est des, <laughs> zones qui sont toujours un peu, euh, opaques. Euh, et il peut y avoir un tas d'activités. C'est une zone très isolée, donc pour c'est un peu laisser les réfugiés tout seuls et à leur propre laisser à eux-mêmes. Et voilà, il y a des risques. Il peut y avoir des risques d'infiltration. Il peut y avoir des risques. Il y avoir toutes sortes de risques. et peut-être les ramener plus à l'intérieur des terres peut permettre une, euh, une meilleure euh, intégration aux populations euh, hautes et donc du coup voilà, plus de sécurité, moins de, de mauvaises surprises et, plus d'accessibilité aussi aux services et aux personnes elles-mêmes. Mais en perspective, Monsieur Emmanuel, pour la situation des réfugiés ici au Niger, quelles sont vos recommandations euh, alors, on espère euh, qu'il y aura une, solution euh, à l'insécurité qu'on trouve dans certaines zones du, Mali. On voit que c'est déjà le cas pour la zone du, bassin du lac Tchad et on espère qu'il puisse y avoir tôt ou tard un début de, processus de retour des, réfugiés. Je pense que les réfugiés le souhaitent. ça peut prendre du temps, mais c'est important que ça commence. Mais d'ici là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est euh, essayer de d'intégrer le plus possible les réfugiés. Et quand je dis intégrer, je veux dire socio-économiquement, c'est-à-dire leur, leur donner la possibilité de travailler, de contribuer à l'économie, parce que c'est la meilleure façon, c'est une façon pour eux de se stabiliser, de se développer, et ça facilitera leur retour le jour où ils rentreront. D'ailleurs, ils rentreront avec des, euh, des armes, si j'ose dire, ou des capacités additionnelles qui permettront justement de reconstruire et de, et de, de, de développer le, le d'origine de sensibiliser les bailleurs de développement à l'importance d'inclure les réfugiés dans les, euh, par exemple dans les programmes de euh, développement nationaux, y compris faire le même plaidoyer avec les, les instances euh, gouvernementales, le, ministère des, Finances qui est en charge du plan, du plan de développement national. Mais je ne peux pas m'empêcher non plus bon, <laughs> de, féliciter le, le Niger et surtout la, le, partenariat, la confiance et la euh, proximité qu'on a avec les, autorités du Niger dans le traitement de la question des, réfugiés. Madame Fatima, quelles sont vos recommandations en perspective Moi, ce que j'aimerais dire, c'est surtout à l'endroit des, des autorités communales. Je voudrais vraiment assez qu'ils prennent en compte dans leur plan de développement économique et social la question des réfugiés, qu'ils les intègrent pourquoi aujourd'hui on a des problèmes au niveau de l'éducation, de la santé, dans tous les domaines C'est parce que cette tranche de population qui au Niger n'est pas prise en compte. Ça serait vraiment un soulagement pour nous, pour l'État et pour les partenaires. Et aussi, j'aimerais dire à l'endroit du ACR que vraiment l'État soit impliqué dans toute action, en particulier au niveau du guichet unique, que toute action envers les réfugiés que la CNE soit impliquée. Le message est déjà passé. Oui, <laughs> <laughs> avec, les, partenaires qui sont au niveau de guichet. Toute action, tout ce qu'ils font, la CNE doit être au courant et doit être impliquée. Mm. Parce que quand il y a des problèmes, on revient toujours vers la CNE pour exposer ces problèmes-là. Mm. Et une chose que tu n'as pas été ce c'est pas facile pour nous d'avoir des solutions. Donc ça, c'est un appel à l'endroit du, ACR. Merci. <laughs> Et aussi, je vais faire un autre appel à l'endroit du comité central. Mm. Il faut nous faciliter la tâche, le comité central. Il faut éviter certains comportements que vous faites. Donc, à, d'entendre entendeur, salut. On termine avec vous, Monsieur Abdelaziz. Quelles sont les meilleures recommandations pour euh, une meilleure situation pour vous au Niger euh, oui, bon, euh, moi, ma recommandation, c'est ça, ça parle vers la, solution durable, comme le Emmanuel Gignac vient de lui parler. la solution durable, il y a trois étapes. L'étape de retour volontaire, la réintégration et la restauration qui n'est pas facile à tous les réfugiés. Et donc, euh, moi, et ceux qui seront réintégrer au Niger, que, l'État puisse faciliter vraiment l'accès à l'emploi et surtout euh, des, euh, socio-économique. En tout cas, que vraiment ces réfugiés soient, puissent être autonomes, puissent prendre leurs besoins. Parce que, euh, vous voyez, être réintégré et que vous n'avez pas les moyens de subvenir aux besoins, c'est compliqué. Et ceux qui seront retournés, et le retour volontaire parce qu'ils ont abandonné déjà des postes, des postes à la fonction publique, des postes aux collectivités territoriales. Et voilà, et aussi de, mettre euh, tous les moyens qu'ils puissent retourner à à leur pays d'origine. Ici se termine notre émission. Je vous remercie, chers invités, pour euh, votre participation. Merci aussi, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle émission sur un nouveau thème du Forum du Studio Kalangu. D'ici là, portez-vous bien.